maa ngi leen di sant di leen gërëm ci intérêt bi nga député yi toujours dañu koy wan ci lu jëm ci secteur microfinance ak lu jëm ci secteur économie sociale et solidaire jàpp naa ne liñ fi wax comme na ma ko waxee woon ci commission technique au-delà du fait que day wane ne député bu ne gox ba nga ne yaa ngi fay def la nga ca war def yaa saytu département ba nga ne mais surtout yaa ngi xool askan ba nga xam ne moo la tabb fal la jiital la nga ñëw toogal ko ci pencu ndaw réew mi naka ngay fajee seen soxla moo tax may wax fii honorable député yi ne incha allahu rabbi déwén ci budget 2022 localité yi fi mo xam fii ci biir plénière bi la wala lañ ñu jot a wax ci commission technique yi ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire dina fa yegsi te laata mu fay yegsi dana ñu def séminaire boo xam ne dinañ ko séq waxtaan ci programme ministère bi lan la wax ca naka lañ ko war a defee initier planning boo xam ne bépp gox boo xam ne ministère bi war na fa yegg danañ leen ko jox à l'avance ñu àndandoor saytu ca fan la ñu war a tappe ca naka lañ ko war a defee ba nga xam ne danañu àndandoor ci liggéey bi pour mu am solo may wax tamit ne ci wàllu microfinance bi ñu bari ñëw nañ ci mu nekk yitte ci wàllu recouvrement bi loolu commencé nañ waxtaan ak association bi nga xam ne moo ëmb kuréelu microfinance yi muy APSFD ci ñu xoolaat fayeeku bi nan lañ koy defee loolu waxtaan bu tàmbali la kon maa ngi ciy dalal seen xel ne ñu ngi ci bu baax a baax mais. Euh, président Macky Sall ci boppam mo jox cër li ñuy wax mutuelle de petite taille mooy maanaam euh, mutuelle yi nga xam ñi ngi ci bir gox goxati té askan bi lu ci ëpp dañuy nekk ay émanation des communautés yuy daan seen doole kon lolu aussi ci walu FONAMIF ak ci walu FIMF amna liggéey bu am solo bo xam ci 2022 bi dinañ ko def mais danañu laata sax ñuy def lolu amna programme national d'éducation financière boo xam ne dinañ ko tambalé ak wa direction de la microfinance ndax li ngeen seetlu mom lañu ñu am nañ né ñu bëri jafé jafé yi ñuy am ñaaré day fekk né buñu yoré alal ji duñu xam lan moy investissement lan moy fonctionnement lan lañu wara denc lan lañu wara war épargner donc loolu yépp taxna ñu am programme national d'éducation financière bo xamné dina bok ci lépp luy renforcer encadrement bi ak organisation ci walu communication bi également dinañ ko gëna a fësal dinañ ko gëna yaatal à travers notamment une plateforme bo xamné ne ñu ko tuddé seen label ci la bok seen label ESS ndax économie sociale et solidaire comme ni ngeen ko waxé li ko tax juk également moy que né ñi nga xam ne ñu ngi daan seen doole ñëpp mën a gën euh, li état bi di wàcce mu jëmale ko ci askan bi kon lolu également dinañ ci bayyi xel bu baaxa baax méthodologie j'ai bien koy défé aussi des yo mois daanaka à l'avance dañuy wàcc di wax ak nit ñi moo tax processus bi xaw a gudd mais jàpp nañ ne loolu aussi dina bokk ci li ñuy jox résultat yi nga xam ne moom la président de la république namm ba mu tegee ministère bi ñuy wax économie sociale et solidaire kon gannaaw bi ma santaate député yépp gërëm leen ci taxawaay bi ak kàddu yi ndax lépp dafa jëm ci wan ñu ne xam nañ secteur bi mais bëgg nañ secteur bi aussi dox ndax secteur bu stratégique la ca président de la république namm fexe nañ ba toxal ko jàpp nañ ne askan bi ñu baree baree bari dinañ ci mën a gis seen bopp kon madam la présidente ñu ngi leen di sant di leen gërëm comme ni ma ko waxee woon daaw budget bi buñ ko voté danañ ci def lañ ca war a def dana dugg fa mu war a dugg maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf